monsieur le ministre je félicite le président Macky Sall si vision bi par rapport à ce problème du logement au Sénégal un programme de 100 000 logements n'est pas une mince affaire parce que nous le domaine le problème du logement mais monsieur le ministre je wax ni euh, le désenclavement est au niveau de Dakar monsieur le ministre dama gisoon temps est passé nga jóg nek di dox ci dëkk bi dem nga fu nekk mais jàpp naa ni loolu aussi il faut que nga accélérer ko monsieur le ministre parce que li nga nekk di def ñun ci loolu lañ lay xaar et le président dama ko dégg keroog jam ñaajo mu félicité la encouragé la en tout cas demander à ce que nous continuer à nga nek di def ñu japp ni lolu pour Dakar aujourd'hui notre capitale monsieur le ministre dafa bëre ay auto yu fi nek di taxaw pendant des années nga len fay romb et dawuñu te jëlewuñu leen lolu si programme bi nga nek di pour en tout cas le désencombrement de Dakar pour assainir les espaces publics de la région de Dakar monsieur le ministre il faut que nga accélérer parce que c'est important pour les populations de Dakar Aujourd'hui, may wax si le quartier de Arafat de Grand Yoff monsieur le ministre moi je suis le député j'ai une collègue qui est là aussi nous sommes deux à Grand Yoff mais les populations de Grand Yoff monsieur le ministre dañ ñu ci interpeller à tout moment et mu nekkoon projet boo xamante ni sori nañ ci mais Japon nañu ni vraiment war nañu mën nak pour trouver des solutions en tout cas à ce quartier parce que da ngay dugg ci ben koñ bo xamanteni mën nga dox pendant 50 mètres du am sortie du am issue ñu japp ni lolu war ngeen ci taxaw et am nañ ci yaakar ci yow aussi ñi félicitons waat son excellence le président Macky Sall sur l'assiette de recasement du projet Namora lolu ñu ngi koy rafetlu bu baax mais je may tëjee rek monsieur le ministre damay par rapport aux cités religieuses nous avons une église à Grand Yoff c'est l'église Hyacinthe Tchandoum. ñu Nous fi daaw son prédécesseur nous ñu ci ay garanties. mais ba le projet bougé Nous avons fait avec ah, euh, les cités religieuses l'église yassin Tchandoum elle va devenir la, plus grande église du département de Dakar. Donc, monsieur le ministre, nous avons aussi pour nous tabax église vous jox ko la communauté chrétienne parce que dañ ko soxla